bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur 13 TV mbokk dalena jamu ci mercato sur 13 TV Ginaaw ba ko relégué ci championship Watford ko moyul dina ñàkk ki di Ismaïla Sarr virvoltant sénégalais bi bari na ay club yu ko soxla bokk na ci ñaari punkal yi ci Premier League di Liverpool ak Manchester United ñaari club yi ngir ñu mëna jënd sénégalais bi faaw rek ñu déboursé 40 millions d'euros ni ko presse italienne bi doon xamné ni nouvelle fan yi ñu wessu Keita Baldé am 25 ans dina wuyal carrière ak Sampdoria ci ordre wu entraîneur am bi di Claudio Ranieri waaye li ñu doon wax fan yi ne dañu koy abal dootul am attaquant international sénégalais bi nekk ci AS Monaco dañ koy transféré définitivement bu ñu sukkandikoo ci benn jegeñaale joueur bi ancien joueur bu Lazio ak bu FC Barcelone bi ñu ngi koy xaar niki tey jàpp ëllëg ci Genk ngir mu def visite médicale Olympique de Marseille ñëpp xam nañu ne jamono ji ñu ngi wut ak attaquant ci mercato estival bi waxtu yi weesu nag bëri na ay journaliste yoo xam ne dañu yëngatu ci wàllu mercato bi yoo xam ne ne Emmanuel Denis mu ngi ci seen xel attaquant nigérian bi nekk ci club Bruges am 22 ans nekk ci contrat ca Belgique ba 2022 bëri na lu ñu koy tudd ci Olympique de Marseille waaye ci conférence de presse André Villas-Boas daat nay xam ne ne xabaar boobu lu ko bett la ba tax mu weddi bépp xabaar buy jëm ci ne dafa soxla boobee River. Liverpool et le Bayern Munich ayant trouvé un accord annoncé à 30 millions d'euros par la presse, Thiago Alcantara, 29 ans, s'est engagé avec les Reds de Liverpool. Le militaire avait d'ailleurs confirmé son départ en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il avait fait ses adieux aux supporters du club bavarois. Thiago Alcantara va porter le numéro 6 des Reds. Selon le quotidien catalan Sport, Liverpool aurait fait une offre au Barça pour un prêt doucement Dembélé. Le club barcelonais n'aurait pas encore répondu mais ne souhaiterait pas prêter les l'ailier français sous contrat jusqu'en 2022. guise Under, proche de Leicester, le joueur de 23 ans passerait actuellement des examens médicaux. Une délégation anglaise serait déplacée en Italie pour vérifier la condition physique de l'attaquant turc avant de procéder à un transfert. Un accord aurait été trouvé pour un prêt payant de 3 millions d'euros avec obligation d'achat de 25 millions d'euros selon Sport Media 7. Entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, Sergino Dest, 19 ans, aurait fait son choix. Le latéral droit se serait entendu avec le club bavarois pour un contrat portant sur 4 saisons, plus une en option Rebel Build. Le transfert n'est pas pour autant acquis. La formation allemande doit encore trouver un accord avec le club d'Eurodivise. En 2019-2020, Sergio Nodeste a participé à 20 rencontres du championnat des Pays-Bas avec 0 but mais 5 passes décisives. Alors que le Barça semble tarder à trouver les moyens de financer l'arrivée de Memphis Depay, l'OL étudierait une autre possibilité en parallèle. Selon Sky Italia, les Rodaniens réfléchiraient à se servir de leur capitaine comme monnaie d'échange avec la semi Milan pour tenter d'attirer le milieu brésilien de l'AC Milan Lucas Paqueta âgé de 23 ans. Selon les informations récoltées par la Gazeta dello Sport, l'attaquant polonais Arkadiusz Milik aurait emprunté un vol privé ce vendredi matin à destination de la Suisse où il se rendra dans un centre médical spécialisé européen. Le joueur en partance pour la Roma, il subira des tests poussés pour vérifier sa condition physique. L'international polonais a subi deux graves blessures au genou en 2016 et 2018. Le mercato des Rossoneri est loin d'être terminé le club lombard se serait mis en quête d'un nouveau milieu de terrain après le transfert de Sandro Tonali. Selon Sky Sport Italia, les dirigeants de l'AC Milan auraient approché l'entourage de Lucas Torreira pour sonder les intentions du milieu uruguayen d'Arsenal et définir les conditions d'un éventuel transfert. Super Desporté révèle que des contacts existent entre Adrien Silva et le FC Valence. L'international lusitanien fait partie de la shortlist du club chez aux côtés de l'ancien Toulousain Etienne Capou âgé de 32 ans. Javi Martinez est sur le départ, le milieu de terrain défensif ou défenseur central devrait quitter le Bayern Munich après avoir remporté un triplé championnat Coupe Ligue des Champions en 2019-2020. Selon Marca, le joueur âgé de 32 ans serait sur le point de rejoindre son ancien club entre 2006 et 2012, l'Athletic Bilbao, pour les deux prochaines saisons avec une saison supplémentaire en option. Le montant de son transfert devrait avoisiner les 10 millions d'euros. Dans un entretien à la Cadena Copé, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a nié d'éventuels contacts avec le PSG alors que son nom avait circulé du côté de la capitale. Depuis qu'il a quitté Tottenham en novembre 2019, Pochettino fait souvent partie des premiers cités lorsqu'il est question d'un grand club européen. Il assure toutefois n'avoir eu aucun contact avec le PSG ni même avec le Barça. L'Argentin rêve d'entraîner le Real Madrid. C'est désormais officiel, Gonzalo Higuain, libéré jeudi par la Juventus Turin, s'est engagé avec l'Inter Miami. L'attaquant international argentin évoluera avec Blaise Matuidi qui était son coéquipier à la Juventus en Floride. ñu jeexalee ak bonus sport ginnaaw match boo xam ne daf ko dominer cat ba cat ay Saint-Étienne mu mujjee daan na ca Orange Vélodrome ñaari bal ci dara ñi nga xam ne ñoo di waa Olympique bu Marseille vert yi nga xam ne jamono ji ñoom ñooy leader bu Ligue 1 sax ci fàttali Saint-Étienne Marseille bi ab match retard la bu première journée bu championnat bi UEFA daat nay dévoiler turu joueur yi ñu nommé ci titre meilleur gardien meilleur défenseur meilleur milieu terrain ak meilleur attaquant ci saison bi weesu ci Ligue des champions bi nga xam ne Bayern Munich moko mujjé mujjee jël ci final bi ginnaaw ba mu PSG 1-0 ci sélection bi nak bari na ci ay joueurs yu Bayern Munich ñi nga xamné danaka daanaka am nañ ci euh, juróom-ñaar ci liste bi bu PSG nak am nañ ci ñett mu di Keylor Navas Kylian Mbappé ak Neymar vainqueur yi dañu leen désigner jeudi 1er octobre ginnaw bu ñuy def tirage au sort phase de poule bu Ligue des champions mesdames et messieurs c'était tout pour ce mercato sur 13 TV merci de l'avoir suivi rendez-vous demain pour un nouveau numéro